le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio studio Kalangou, il est 18h16 C'est l'heure du forum au micro Hamadou Moumouni. Bonsoir à tous. Vous pouvez suivre les programmes du studio Kalangou à Niamey et dans l'ensemble des chefs-lieux des régions à travers le réseau des radios partenaires. À cela s'ajoutent d'autres localités comme Arlit, Filengue, Berlingaure, Chirozirine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Ce jeudi 18 août, nous irons à Wallam. Wallam est coupé, coupé du monde à cause des inondations. C'est le constat du député Nassir Halidou. Lui et plusieurs autres députés de la région de Tilabiri étaient le week-end dernier dans la zone à la suite des fortes précipitations de ces derniers jours. Il nous donnera des détails sur les dégâts enregistrés. Après, nous ferons cap sur DIFA, DIFA, région phare cette année, pour la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Pour le Bureau des affaires humanitaires, le choix de DIFA s'explique par les besoins urgents qui se posent en matière d'eau, de soins en santé primaire et d'abri. Vous suivrez Olivier Eyanga de Ocha DIFA. Ce forum, c'est aussi cet arrêté du ministre en charge de l'enseignement primaire signé le 20 juillet dernier et qui transfère la gestion des contracteurs de l'enseignement de base aux communes. L'arrêté fait grand bruit, mais au-delà de ça, est-ce un arrêté, un acte administratif légal La réponse sera avec le juriste constitutionnaliste Meina Karté. Oui, voilà, est coupé du monde, c'est ce que dit le député Nassir Halidou. Lui et plusieurs autres députés de la région de Tillabéri étaient le week-end dernier en compagnie des autorités régionales de, la région à Wallam pour voir ce que les fortes précipitations de ces derniers temps ont causé comme dégâts. Leur constat est que Wallam est inondé et les dégâts enregistrés sont énormes. Les explications du député Nassir Ali Jean au téléphone par Gunga Mohamed Dantani le constat est amer. Le pont est cassé, la rupture est telle que même si vous êtes euh, du bord du fleuve, on vous amène une pirogue, vous n'avez pas rentré dedans parce que c'est dangereux. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Wallam est coupé du reste du monde. Le village de Tolkoudei, qu'on n'a pas pu visiter parce que la route est impraticable, le pont est cassé. Certains riverains qu'on a trouvés sur place nous ont dit que rien que dans ce village, il y a environ 300 maisons effondré, une centaine de, de chaînes de mille qui sont impraticables, des jardins de tomates parce que voilà, euh, région, n'est-ce pas, de production de tomates. Selon le député qui a des informations, il nous a dit que 28 à 34 villages sont concernés par les inondations. La situation vraiment, elle est amère. Est-ce que des dispositions palliatives ont été prises en attendant que la situation soit régularisée Je ne peux pas dire que des mesures sont prises mais nous, nous concernant, depuis hier, j'ai instruit l'équipe du groupe parlementaire Zazam Lomana. Je leur ai donné tout ce qu'on a reçu comme information par rapport aux dégâts, la situation de la route. Ils vont faire un rapport et j'ai demander que ce rapport soit un rapport qui définit la situation et qui rend la zone une zone de catastrophe naturelle par le gouvernement pour que ça soit reconnu, pour que des solutions soient prises à ce genre de problèmes qui sont récurrents dans la zone par rapport au réseau routier, est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, le trafic est en train de se faire ou bien tout est carrément bloqué Ce que je tiens à vous dire, c'est pas seulement le seul point de coupure. Il y a jusqu'à trois endroits où la route est cassée. Donc on ne parle pas de réseau. C'est aujourd'hui à, à Wallam. Connaissant la situation financière du pays, je peux vous assurer que c'est pas pour aujourd'hui. C'est désolant, hein, moi, c'est vraiment désolant. Cela veut dire que jusqu'à hier, euh, même les services euh, concernés de l'équipement ne sont pas arrivés sur place pour pouvoir au moins faire un détournement pour euh, faire fonctionner le trafic. Le, gouverneur, je vous confirme, il a été là-bas. Le préfet est venu nous accueillir, mais on ne peut pas les gens parce qu'ils étaient à l'autre bout. Et nous aussi, puisqu'on ne peut pas traverser, donc on s'est salé seulement avec la main. On se voyait on n'a pas pu les rejoindre, ne peuvent pas venir nous rejoindre aussi. Ce n'est pas seulement euh, le seul point aussi de rupture. Il y a eu jusqu'à trois ruptures jusqu'à Hollande. C'est vraiment déplorable. Merci. Voilà, le député Nassir Halidou, joint au téléphone par Gongou Mohamed Dantani sur euh, la situation de la zone de Wallam. Wallam inondée et les dégâts qui en sont ici sont évidemment énormes. Alors, pour rester dans cette affaire de précipitation, quelles sont les conséquences que ces fortes précipitations enregistrées un peu partout dans le pays ont engendrées sur le pâturage C'est entre autres questions que notre reporter Kenda Mariam Diallo a posées aux responsables du pastoralisme et de l'environnement de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Selon Haruna Abarchi, les fortes précipitations enregistrées ces jours-ci sont une bonne chose pour le pâturage, mais malheureusement d'autres facteurs comme l'insécurité aggrave la situation des éleveurs. Je vous propose de le suivre. Vous savez, au sortir de la saison pluvieuse passée, il y a eu un bilan fourragé qui a été établi par les services compétents. Et en ce moment, on avait eu un déficit de presque 9 millions de tonnes de matière sèche, ce qui n'est pas à négliger par rapport à l'alimentation bétail. Il se trouve qu'il y a encore d'autres facteurs qui aggravent la situation, notamment l'insécurité tout autour du Niger, donc au Nigeria. Donc les éleveurs qui ont l'habitude d'aller au Nigeria à cause de l'insécurité de Boko Haram ne partent pas. Les éleveurs qui ont l'habitude d'aller au Mali à cause de sécurité ne partent pas. Au contraire, c'est les éleveurs de ces deux pays-là qui viennent au Niger et donc augmenter la charge sur le peu de pâturage qu'il y a déjà, alors même que c'était en déficit. Donc, ce qui a donné en tout cas une surcharge véritable sur ces ressources-là. Maintenant, au, début du mois d'avril et mai, on a enregistré les premières pluies. Et dans certaines zones, ça a vraiment poussé. Et tout a poussé. Tout ce qui est semence a poussé. Et il n'y a pas eu de suivi de pluie suivante. Donc, tout ce qui a poussé par l'effet de sécheresse est mort. Maintenant, au retour de, ces grandes précipitations-là, il n'y avait pas de graines pour pousser. Si bien que il y a des zones où le terrain est nu, ça n'a pas poussé, bien qu'il ait plu, parce que tout simplement il n'y a plus de graines pour pousser. C'est le cas dans le département d'Abala euh, les communes de Sanam. C'est également le cas dans le département d'Ablak, Tawa, donc précisément tout autour, mais aussi dans la commune de Azaï. Il y a vraiment un pourcentage important de terres qui sont nues malgré les pluies. Maintenant, ailleurs, la saison est vraiment bonne. Quand on prend la région de Difa, en tout cas, c'est le tapis herbacé est formidable quand on prend la zone pastorale au niveau d'Agadez et au niveau de, de Maradi, Zander, tout ça là. On a en tout cas des zones qui, si ça continue comme ça, il y aura une bonne production parce qu'il faut vraiment poser la condition. Et donc, euh, du coup, est-ce que par rapport euh, à l'abondance euh, des, précipitations depuis cette année, le constat que vous avez fait par rapport à l'année dernière, est-ce que cela change quelque chose pour les éleveurs Bon, vous savez, il faut chaque fois attendre la fin de la saison pour faire le bilan et savoir et pouvoir comparer. Mais en tout cas, les auspices que nous avons, nous pensons que si ça continue comme ça, on aura en tout cas un bilan meilleur que celui de l'année passée. Vous savez, tout ne passe pas sans conséquence. Vous savez, avec ces pluies, il y a eu des inondations. Dans certaines zones, comme la région de Tawa et même la région d'Agadez, il y a eu beaucoup de milliers de têtes de petits ruminants qui sont morts dues à ces précipitations-là. Ça aussi, c'est un manque à gagner. Vous avez parlé d'un chiffre tout à l'heure, vous avez dit 9 millions de tonnes de matière sèche. Par rapport encore à tout ce que vous venez de dire, est-ce que euh, ce déficit pourra être euh, complété si euh, la situation continue comme ça Moi, je pense que si la situation continue comme ça, la seule donnée que nous n'allons pas maîtriser, c'est les animaux des autres pays qui vont venir. Parce que, voyez-vous, le déficit se calcule par rapport à la disponibilité de pâturage, mais aussi au nombre des animaux. Et on sait ce qu'un animal mange et on l'applique. Maintenant, si la pluie continue comme ça, par rapport au cheptel nigérien, il n'y aura pas de déficit. Maintenant, s'il y a autre facteur extérieur, notamment autre cheptel, voyez-vous, c'est possible qu'il y ait un déficit. Des, terres vides, c'est l'expression que vous avez utilisée, et qu'il n'y avait pas eu de suivi non plus. Par rapport à ça, quelles sont les dispositions qui auraient dû être prises, euh, ce qui devait être fait pour pouvoir euh, peut-être euh, éviter cette situation où vraiment il y a eu des, des terres qui sont restées vides Maintenant, il faut juste tabler sur l'adaptation il faut que les gens tentent de s'adapter par rapport à cette situation. Et là, c'est ce que nous sommes en train de faire. On interpelle les différents partenaires de l'élevage, notamment l'État, la FAO et d'autres, pour que les aliments bétail soient mis à disposition à temps. Sinon, d'autres réflexions qui auraient dû être faites beaucoup plus tôt seraient peut-être d'avoir des semences Malheureusement, il n'y en a jamais eu parce que les semences qu'il y a sont réservées généralement aux terres récupérées, parce qu'il y a des terres dégradées où on récolte des semences juste au pluie, on, on ensemence là-bas. Donc malheureusement, il n'y a pas eu de semences récoltées pour prévenir des situations comme ça. Et à qui incombe cette, cette responsabilité Est-ce que l'État a vraiment une, une, grande part de responsabilité Au Niger, euh, les gens parlent aussi du fatalisme. Beaucoup de choses qui se passent, on dit que c'est Dieu qui a amené. Voyez-vous, les gens n'ont pas imaginé qu'il va peut-être pleuvoir en avril et que tout pousse et là, vraiment, c'est de la responsabilité de l'État quand même. Malgré tout, il y a quand même des services techniques en la matière, notamment la météo, qui calculent et qui prévoient l'arrivée des précipitations. Si ce n'est pas la pluie utile, on le sait et des dispositions doivent être prises. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Par rapport à la météo, on a eu, euh, je crois, et très tôt, euh, la météo avait signalé une abondance de pluie cette année. La météo a bien fait son travail de technicien. Aussi qu'il y ait des pluies plus tôt mais ce n'est pas des plus utiles. Donc, il n'y aura pas de suivi. Ils ont même conseillé aux agriculteurs de ne pas s'aimer. Mais ils se sont limités aux agriculteurs. Ils ont oublié qu'il y a des endroits où, s'il y a aussi d'autres qui ne sont pas agriculteurs, qui, sont concernés par l'information. Mais pour ce qui concerne les pâturages, puisqu'il n'y a déjà pas eu de récolte de semences de pâturage, dans tous les cas, ça va arriver. Puisque s'il pleut, ça va pousser. Et s'il n'y a pas de suivi, ça va mourir. Et s'il y a même retour de pluie, il ne va pas pousser parce que les semences sont parties. Donc, ces dispositions, peut-être, c'est des réflexions à faire plus tard pour pouvoir en tout cas s'adapter vers des situations comme ça, récolter les semences tôt et les, stocker. Mais ce problème quand même, il perdure, euh, ça fait quand même un, un beau temps, chaque fois les éleveurs parlent euh, de l'aliment bétail. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours à, ce stade Il y a beaucoup de facteurs. Hein. Il y a les changements climatiques et autre chose, il y a en tout cas le manque véritable de prise de disposition au même titre que les autres secteurs pour l'élevage. L'État a mis en place un dispositif qu'on appelle le dispositif de prévention et de gestion des crises et catastrophes alimentaires. Ce dispositif est là, il travaille sur tout ce qui est urgence, alerte précoce, intervention, etc. Mais quand on le regarde, il s'intéresse beaucoup plus au secteur agricole avec petit A qu'au secteur de l'élevage. Parce qu'au niveau de la CSA, il n'y a aucun agent d'élevage. ce que des agronomes, des forestiers, etc. etc. cest dire que même s'ils veulent faire, il leur manque la technicité de la chose. Maintenant, c'est nous qui partons vers eux souvent, on les critique et on, on les interpelle. Après, ils appellent les ministères techniques, notamment le ministère de l'élevage, le ministère de l'agriculture, tous les ministères techniques. Cela veut dire que la solution n'est pas encore suite. Alors là, vous venez d'aborder un point essentiel. Vous parlez donc de la contribution des éleveurs. Vous dites que vous allez peut-être vers eux. Est-ce que vous ne pensez pas que les éleveurs ont vraiment une grande part de, responsabilité Je veux dire, vous parlez tout le temps de réfléchir sur euh, peut-être des, solutions, mais concrètement, euh, à votre niveau, il n'y a, y a vraiment rien que vous puissiez faire Bon, vous savez, les éleveurs, eux, ils ont leur stratégie qu'ils adoptent chaque fois. Puisque le Niger, c'est un pays d'élevage par excellence, oui, mais c'est surtout l'élevage extensif. Donc, les éleveurs partent chercher les pâturages là où ça se trouve. Et ces ressources-là, souvent, ça ne suffit pas. Et en plus, ces éleveurs-là sont, eux aussi, achètent les, différentes, les différents aliments bétail sur le marché. Et voyez-vous, c'est quand même pas petit en termes de coût. Nous, c'est une question d'équité. Hein. Dès lors qu'on soutient les autres secteurs, on doit aussi soutenir le secteur d'élevage. Il se trouve qu'un des problèmes aussi, c'est la disponibilité de l'aliment bétail au Niger, puisque dans tous les cas, le Niger ne produit pas les aliments bétail. Parlez-nous du prix de, ces aliments bétail. Le prix du sac de tourteau peut se trouver, par exemple, à 12 000 francs à, à Ablak ou Tintabaraden, au moment où il est peut-être à 8 000 francs à Birni, par exemple. Maintenant, lorsque c'est subventionné, ça se vend à 5 000 francs pour le sac de tourteau et à 4 000 francs pour le sac de son déblé. Tout ça, là, c'est des sacs de 50 kilos. Et, ça, c'est cher Vraiment cher. Surtout en ce moment-là, généralement, le marché à bétail n'est pas aussi porteur parce que les prix baissent drastiquement pour les animaux. on parle de l'élevage, donc un secteur euh, vraiment très important pour l'économie du Niger. On parle souvent de deuxième mamelle hein, de l'économie de notre pays. Ça, c'est juste parce que quand vous prenez les statistiques même, les produits d'exportation, l'élevage est le deuxième produit d'exportation après l'uranium. Et au Niger, 87% de personnes, en tout cas, font de l'élevage, que ce soit en seconde activité ou en activité première. C'est le pastoralisme qui alimente tous les autres sous-secteurs de l'élevage, que ce soit ranching ou l'élevage sédentaire. Maintenant, pour qu'il y ait de l'élevage, surtout le pastoralisme, il faut qu'il y ait de l'espace sécurisé. Et puisque nous sommes en train de vivre aujourd'hui un autre phénomène d'accaparement de terre, un autre phénomène d'envahissement de terre et de dégradation de terre. Voyez-vous, c'est des trucs qui ne favorisent pas ce secteur-là. Alors même qu'il a des textes de loi qui réglementent tout. Est-ce que vous avez été informé de ces, euh, de ces terres euh, On parlerait de plusieurs dizaines d'hectares à des phares qui seront euh, mis en location euh, euh, à une société saoudienne. Oui, nous sommes informés et nous constituons quand même un front ensemble pour essayer de, euh, de lutter contre ça. D'accord. Un autre aspect, c'est cette guerre, euh, entre guillemets, que subissent ces éleveurs qui parfois euh, sont attaqués et, voient leur bétail emporté avec eux. Ça, ça fait partie des facteurs qui mettent en insécurité le secteur. Parce que voyez-vous, si on dit qu'au Mali, il y a la guerre, on prend du bétail nigérien, on tue souvent des éleveurs. C'est récent, hein. même il y a 4 jours aujourd'hui, on a tué des éleveurs. Ici au Mali, on a pris leur bétail. Pareil vers Difa, ça se passe également avec Boko Haram, où beaucoup d'éleveurs ont perdu leur bétail. Ça, ça fait partie vraiment des facteurs qui mettent en insécurité davantage le secteur de l'élevage et les éleveurs. Non seulement il y a euh, l'insécurité sur leur production, mais aussi il y a de l'insécurité physique. Monsieur Aruna Abashi, merci beaucoup. Je vous remercie. Vous venez de suivre Haruna Barchi, le responsable du pastoralisme et de l'environnement de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes et nous a brossé la situation du pâturage au micro de notre reporter Kanda Mariam Diallo. Demain, 19 août 2016, le Niger va se joindre à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de l'aide humanitaire. C'est la région de Difa qui a été choisie comme région phare pour la célébration de cette journée. Pourquoi le choix de cette région Selon le, représentant du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans la région, le choix de DIFA s'explique par les besoins urgents qui se posent en matière d'eau, de soins en santé primaire et d'abri. Olivier Yanga de Ochadifa, joint au téléphone par Mokhtar Hamadou, s'explique d'abord sur l'augmentation du nombre de déplacés à la suite des attaques de la localité de Bosso en juin dernier. Avec les dernières attaques qu'on a connues au mois de euh, juin, nous avons un nombre de personnes déplacées au niveau de la région qui a été augmenté de plus ou moins 70 000 personnes. On avait déjà un nombre de 40 000 euh, euh, en 100 ans selon les autorités euh, régionales. Cette situation vient se greffer sur une autre situation que nous avions déjà au niveau de la région. Comme vous le savez, la région des Bifa, même est eu une bonne une mauvaise année agricole, on a toujours plus ou moins 20% de la population dans une situation euh, d'insécurité alimentaire qui nécessite absolument euh, une intervention de la part de, des autorités des, des, partenaires pour apporter une assistance euh, alimentaire. Voilà un peu la situation actuelle avec ces assez réfugiés et aussi euh, les populations autochtones. Sur le compte Twitter euh, d'Ocha Niger, nous avons remarqué qu'à Difa, deux personnes sur trois sont vulnérables. Euh, vous avez demandé plus d'actions pour moins de souffrance. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Concrètement, ça veut dire que dans la région de Difa, lorsque nous prenons, comme je l'ai dit en introduction, par rapport à la vulnérabilité de manière un peu plus générale, euh, on a euh, des gens qui absolument devraient bénéficier euh, d'une assistance pour ne pas perdre la vie. On a aussi besoin de ces ressources pour que nous puissions, de manière coordonnée avec les autorités nationales, amener de l'eau dans les différents sites qui sont éparpillés au niveau de la route nationale numéro 1. Nous avons besoin de ces ressources pour assurer la protection de personnes euh, qui sont dans les besoins et c'est là de manière un peu plus large, comprenant notamment les enfants, euh, les femmes enceintes et allaitantes. Et on a aussi besoin de ces ressources pour effectivement euh, monter des arbres d'urgence afin que ces différentes personnes puissent être euh, dans des conditions euh, humaines. Donc, euh, c'est vrai, à DIFA, malheureusement, sur les différents fonds que la communauté humanitaire recherche, à la date d'aujourd'hui, sur les 3 dollars sollicités, nous n'en avons reçu qu'un seul. On a effectivement besoin de ces ressources pour que nous puissions mener nos opérations euh, de manière appropriée. Demain, 19 euh, août 2016, euh, le Niger se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale de l'aide humanitaire. Le Niger qui est à sa sixième édition, quel changement cela peut amener à DIFA concrètement comme vous le savez, le thème de cette année, l'humanité est indivisible, et nous avions choisi euh, pour euh, le Niger euh, d'être aux côtés des populations du Manga, c'est-à-dire de Difa. Et à l'instar des autres pays, effectivement, nous allons commémorer cette journée, comme vous le savez, hein, depuis 2003, qui a été instituée par les Nations Unies après qu'il y ait cette attaque meurtrière à Bagdad qui a coûté la vie à plus de, nos collègues. Donc nous avons pour le Niger, c'est vrai, nous voulons euh, témoigner euh, notre euh, solidarité à ces peuples de DIFA principalement et aussi dire combien la solidarité nationale, il faut le souligner, mais qui a précédé d'ailleurs les différentes interventions. pour vous dire, que lorsque les premières personnes connaissent les déplacements, c'est ce que nous avions vécu ici à Difa, ce sont les populations qui sont les premières, les premières personnes qui allaient soutenir. Et donc pour marquer cette solidarité avec euh, toutes les personnes pour témoigner aussi notre reconnaissance, notamment aux autorités nationales qui nous facilitent euh, le travail, mais surtout hein, euh, pour aussi saluer tous ces travailleurs humanitaires au niveau de la région qui ne ménagent aucun effort pour atteindre les populations dans le besoin, là où ils sont, afin de pouvoir le soutenir. donc, euh, pour euh, marquer euh, cette journée, nous allons effectivement nous joindre aux collègues des autres régions et des autres, des autres pays qui sont pris, travaillent dans les mêmes conditions que nous et pour dire que voilà, nous allons pas le bien au contraire. L'humanité indivisible, c'est un tout et pour lequel nous devons faire fournir des efforts pour la population dans les besoins. Olivier Eyanga, comment s'organise l'aide humanitaire à sur place à Difa Oui, au fait, euh, euh, pour ce qui est de la région de Difa, nous avons anticipé euh, par rapport à la journée du 19, c'est hier le 17 août 2019 que nous avons plutôt marqué pour nous en tout cas cette journée. Ça a commencé depuis le lundi avec des activités de sensibilisation de la population avec des émissions radio et la journée d'hier a permis euh, au ministre des Actions humanitaires, au gouverneur de la région ainsi que plusieurs personnalités euh, qui sont venues euh, de la capitale ici à Difa de nous retrouver au niveau du centre de la jeunesse et de la culture où les différents groupes sectoriels ont pu présenter des stands pour démontrer et montrer à la population et toutes les activités euh, qui sont menées dans les différents secteurs euh, euh, ici à DIFA. On a pu voir le groupe ATRI qui nous a présenté les différentes constructions qui sont organisées à DIFA, groupe sécurité alimentaire, eau, hygiène, assainissement, santé, nutrition, la protection, la coordination et la, population a pu pointer du doigt euh, les réalités euh, que connaissent euh, les populations et les différentes assistances qu'ils reçoivent apportées par les partenaires humanitaires. Quels sont les besoins les plus urgents sur place à Difa Pour l'instant, les besoins les plus urgents sont notés au niveau notamment des abris. Euh, malheureusement, avec euh, la saison pluvieuse euh, qui se pointe à l'horizon, nous continuons encore à manquer certains, un certain nombre d'abris pour que les gens soient en sécurité. À côté des abris, l'eau constitue aussi une préoccupation pour la communauté humanitaire ici à Difa. Pour l'instant, en tout cas, afin d'assurer l'approvisionnement en eau de manière appropriée, nous transportons euh, des lots par euh, des camions citernes pour atteindre les différents, euh, les différentes populations qui sont dans les différents sites, comme je l'ai mentionné plus haut. Et, bien entendu, la protection de manière un peu plus générale. et aussi, on a le besoin sur l'alimentation et aussi les soins en santé, les soins de santé primaire. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer, notamment sur la situation humanitaire à Difa nous pensons qu'il y a beaucoup plus de raisons de pouvoir espérer que euh, ça devrait euh, s'améliorer dans les, prochains jours. Mais en même temps, hein, comme je l'ai dit, hein, je pense que la région, malgré cette situation des déplacements euh, des populations, euh, la région en elle-même hein, était, toujours classée parmi euh, les régions les plus vulnérables au niveau du pays. Et donc, même si la situation arrivait à, s'améliorer, d'ailleurs, les autorités nationales ainsi que les partenaires travaillent d'arrache-pied par rapport à ça, nous allons malheureusement faire face, quand ils continuent à faire face à d'autres problèmes d'ordre beaucoup plus structurels que ceux qui a été occasionné par ces différents déplacements pour lesquelles je pense qu'il y aurait besoin et nécessité de beaucoup plus de ressources euh, pour qu'effectivement on puisse euh, baliser euh, et entrer dans la voie de solutions beaucoup plus durables vers la voie du développement. Olivier Eyanga, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Olivier Eyenga, le représentant du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans la région de Difa, au téléphone avec Mokhtar Hamadou. C'est à l'occasion de la célébration demain à Difa de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. forum du studio Kalango Suite, le 20 juillet dernier, le ministre en charge de l'enseignement primaire a signé un arrêté qui transfère la gestion des enseignants contractuels aux communes. La décision est ouvertement critiquée par les structures syndicales. Aujourd'hui, pour mieux en savoir sur la légalité de cet acte administratif pris par le ministre de l'enseignement primaire, notre reporter Alassane Kouzi Mamadou s'est entretenu avec le juriste constitutionnaliste Meina Karté. Il s'explique d'abord sur la nature du contrat qui lie les contractuels de l'enseignement à l'État Les contractuels de l'éducation, ils ne sont pas régis par le Code du travail parce que leur contrat n'est pas de la même nature que euh, le contrat de travail euh, ordinaire. C'est un contrat dit administratif. C'est un contrat qui lie une personne privée à une personne publique en l'occurrence ici l'État. Contrat administratif, sa nature elle est déterminée par la jurisprudence, tout comme il peut être déterminé par la loi. Il y a la qualification légale des contrats dits administratifs. Alors ici, c'est la loi qui est introduite pour dire que euh, pour baptiser, c'est le contrat qui lie l'État au contrat de l'éducation du contrat dit administratif. C'est, je pense, l'article 145 du statut général de la, de la loi de 2007 instituant le statut général de la fonction publique l'article 145 est suivant, qualifie ce contrat-là du contrat administratif. Et quand on dit contrat administratif, il y a des conséquences aussi administratives. C'est-à-dire que euh, ici, l'administration se met dans une situation de supériorité par rapport à l'autre partie. Elle se réserve un certain nombre de droits. Premièrement, le pouvoir de modification unilatérale, le, pouvoir de, sanction, le pouvoir de résiliation et le pouvoir de contrôle. Ce qu'on appelle les prérogatives exorbitantes de droit commun. C'est-à-dire que ce sont des prérogatives qu'on ne retrouve pas dans un contrat de nature privée. Ici, l'administration, elle est maîtresse de ses besoins. Elle peut se lever un bon matin pour dire voilà comment je compte déterminer telle ou telle action. L'administration ne doit pas aussi abuser son pouvoir pouvoir. C'est pas parce que c'est un contrat administratif qu'il ne faut pas suivre certaines procédures. Ça, c'est par rapport à la nature de cette relation contractuelle-là. Le deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est que ici, dans la Constitution, à l'article 164, il a été consacré la décentralisation, c'est-à-dire un transfert, c'est-à-dire l'existence à côté de l'État, personne plus par excellence, d'autres structures qu'on appelle donc les communes ou bien les régions en tant qu'entité décentralisée. Et il y a d'autres lois sur la décentralisation qui instituent ce qu'on appelle le transfert de compétences. Donc ici, l'ordonnance de 2010 du euh, septembre, crois, 17 septembre 2010, qui porte euh, sur le Code général des collectivités territoriales, euh, plusieurs fois modifié, et évoque la question du transfert de compétences. C'est-à-dire qu'il y a des domaines de compétences que l'État va transférer aux nouvelles collectivités publiques qu'il a créées lui-même. Et dans ces éléments-là, il y a la gestion du domaine de l'éducation. Sur cet aspect-là, il n'y a pas de problème. L'État peut transférer des compétences comme celle-là aux collectivités territoriales. Sur le plan du droit, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais là où il y a un problème, là où euh, euh, personnellement j'ai une très grande inquiétude, l'État dit que je vais transférer moi-même l'argent correspondant au niveau des communes. Si je prends l'exemple, par exemple, je prends le cas d'une commune, je prends par exemple la commune de Liboré. Donc la commune de Liboré va licencier les différentes écoles qui sont dans sa sphère euh, territoriale. Elle va compter le nombre d'enseignants, va faire le calcul, ou bien euh, en consultation avec l'État, on va faire le calcul, et l'État, chaque mois, il va verser l'argent correspondant dans le compte de la commune de Libori, par exemple. Et cette commune va aller prendre l'argent pour venir donc, payer n'est-ce pas, au niveau des contractuels. Donc, les 266 communes du Niger seront soumises à cet exercice mensuel. C'est-à-dire que pendant 12 mois, l'État va faire 12 virements par, an. La commune va 12 mois par an appeler les contractuels pour, le, les payer dans ses services. Alors, c'est une tâche purement matérielle qui a été confiée aux communes. Et quand on sait comment les communes de notre pays fonctionnent, quand on sait comment elles ont des problèmes elles-mêmes avec leurs fournisseurs, leurs partenaires, mais surtout la pléthore de leurs agents, est-ce que l'État n'est pas en train de prendre un risque en confiant une mission aussi importante, aussi délicate à des structures publiques qui elles-mêmes connaissent des balbutiements par rapport à des choses bien déterminées Moi, je pense que c'est un risque. Mm-hmm. Parce que ici, est-ce que l'État peut lui-même faire cet exercice-là 12 fois dans l'année. Est-ce que, est ce que l'État aura non seulement le temps, n'est-ce pas, est-ce qu'il aura la capacité de transférer de façon effective l'argent correspondant, nécessaire et à temps. Maintenant, si si l'État a effectivement, par exemple, versé, est-ce que les communes vont, dans les délais et de façon effective et de façon sincère et honnête, appeler les contractuels et leur donner cet argent-là avant la fin du mois ou bien en tout cas avant le terme échu, c'est-à-dire le 5, 6 ou le 8 Vous voyez, il y a un risque n'est-ce pas, de voir l'État euh, observer un retard dans le versement de l'argent aux communes. Il y a un risque de voir les communes observer un retard dans la, convocation des différents contractuels pour procéder aux différents paiements qui ont été indiqués. Il y a un risque de semer la désolation et de compromettre euh, toute l'année scolaire. Je suis certain, j'ai l'intime conviction que ce n'est pas une bonne chose. Parce que, certes, le principe de responsabilité, de subsidiarité, tous les principes, n'est-ce pas, qui ont été évoqués par le gouvernement, c'est juste consacré par la loi. Les transferts de compétences, se consacré par la loi. L'État peut bel et bien transférer. Sur le plan du droit, il n'y a pas de problème. Il y a un fondement juridique à cela. Je pense que c'est sur cela que s'est appuyé le Conseil d'État pour valider le décret de M. le ministre des, des Enseignements moyens. Je n'ai pas lu euh, la décision, mais je pense que c'est bien ça. Je ne suis pas surpris que le Conseil d'État dise que c'est normal. Mais c'est sur le plan c'est sur, l'aspect opérationnel qui me fait un peu d'inquiétude. Ce que je voudrais demander, est-ce que sur le plan administratif, ces gens-là, désormais, ils seront sous les communes S'il faut réclamer les paiements le, des, des, salaires et autres, ils vont se diriger devant les mairies, devant les communes. Vous savez, ils vont se, ils vont l'argent parce que là, on a juste logé leur argent au niveau des communes. À qui l'État a dit, il faut aller faire le contrôle sur le terrain, voir qui est là, qui n'est pas là. Donc, ils vont réclamer leur sous au, niveau des communes. Mais je pense que ils vont, administrativement, c'est toujours au niveau régional. C'est le gouverneur de région qui assure la tutelle de l'État relativement au contrat lui-même. Parce que le fait de transférer aux communes, l'État a dit que ça ne change pas la nature administrative de ce contrat-là. Rien n'est changé. C'est juste le paiement qui ne sera plus fait par l'État mais qui sera fait par les communes avec un peu cette responsabilisation-là, parce qu'elles vont, euh, elles sont plus proches pour aller euh, vérifier qui est là, qui n'est pas là. Mais moi, je pense que ça, pas, c'est un faux débat. L'inspection régionale, l'inspection départementale, qui est son travail classique, elle, peut aller faire ce travail-là et vérifier qui est là, qui n'est pas là, et en consultation avec les autorités déconcentrées régionales, procéder au paiement comme on l'a toujours fait. Je pense que l'État, sur ce plan, est mieux organisé, il a plus d'autorité, il a plus de moyens, et il a plus de latitude que les communes qui sont tout simplement une compilation de partis politiques et qui, par rapport à certains aspects, n'ont pas le même degré de responsabilité par rapport à certaines choses qui, qui par nature, revêtent un caractère purement national étatique. En dehors de, de, de cet aspect qu'on a confié aux mairies, c'est-à-dire la gestion, il y a aussi l'aspect recrutement. Et je reviens à la question. Les communes peuvent recruter n'importe comment et n'importe qui. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la, de, de responsabilité. Hein. Le recrutement fait par l'inspection, en consultation avec l'inspection de l'enseignement, n'est pas le même que celui qui sera fait par les communes. Les communes, certaines communes peuvent même recruter, peuvent même tout simplement créer des postes budgétaires pour des gens qui n'ont jamais été à l'école, parce que le contrôle il est difficile. Certaines communes peuvent prendre n'importe qui, même des gens qui vont abrégé leurs études à partir de la sixième, de la cinquième, parce que tout simplement à la fin du mois, il faut trouver une somme X à telle ou telle personne. Ça va même servir de, de, cadre pour remercier, euh, pour recruter et remercier certains, certains partisans, certains donateurs de certains partis politiques. Mais je pense que si c'est l'État qui le fait directement, il y aura moins de risques par rapport au recrutement, par rapport au contrôle et par rapport au paiement, n'est-ce pas, des, différents salaires. Ah, c'est pourquoi, moi, pourquoi moi, et, et, le sentiment fort que j'ai, l'État a fait une mauvaise chose en confiant un domaine aussi sensible, aussi important que l'éducation aux communes. Il y a des communes qui seront très très sérieuses. C'est pas toutes les communes, c'est pas les décisions sociales qui sont mauvaises. Il y a des communes qui seront sérieuses, mais je suis certain que au, niveau de certaines communes, on va recruter des gens qui n'ont aucune garantie de compétences en matière d'éducation, qui vont juste venir parce qu'à la fin du mois, il faut prendre telle somme et maintenant on va sacrifier les élèves, on va sacrifier les enfants, on va sacrifier les élèves. Et, et il y a des communes qui vont prendre l'argent, mais au niveau du paiement, elles vont tarder ou elles vont faire d'autres financements, d'autres actions avant de payer les contractuels. ça va créer des grèves. En, conclusion, en conclusion, moi je pense que l'État doit réfléchir euh, vraiment profondément avant de euh, rendre effectif cette décision-là que je trouve vraiment un peu suicidaire. Est-ce qu'on peut dire que nos, mairies ne sont pas encore prêtes pour, pour prendre en charge euh, un domaine aussi sensible que l'éducation ce n'est pas une question de prête. Ce n'est pas une question de prête. C'est une question de d'engagement, de responsabilité, de volonté, de sincérité. Certaines communes vont manquer de tous ces aspects-là et ils vont recruter n'importe comment. Ils vont refuser de payer. Et quand on va, quand les syndicats de l'éducation vont se tourner vers l'État, ils vont aller ah non, moi j'ai versé l'argent, etc., Et les, syndicats ne sauront pas, euh, euh, euh, ne sauront pas comment faire, quelle, laquelle des structures l'État ou les collectivités actionner. Moi, je pense que l'ancienne formule, elle est la meilleure. Je vous remercie, Meina Karté. Voilà, le juriste constitutionnaliste Meina Karté sur la légalité de l'arrêté du ministre en charge de l'enseignement primaire qui transfère la gestion des enseignants contractuels aux communes. La Fédération nigérienne des personnes handicapées a organisé hier une journée d'information et de sensibilisation à l'intention de la Commission nationale des droits humains sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Niger en 2008. Objectif, améliorer le respect des droits des personnes handicapées dans la mise en œuvre de cette convention. Moussa Ali, membre du bureau national de la Fédération, explique au micro de Asuma Nashina leurs attentes à la suite de cette rencontre. Nous avons énuméré dans nos attentes un certain nombre de préoccupations des personnes handicapées, sur lesquelles nous demandons l'appui en termes de plaidoyer auprès des autorités pour la réalisation de ces droits. Comme nous le savons, quand on dit que les droits humains, c'est pour tout le monde, mais il a été remarqué que dans la mise en œuvre des droits, secteur par secteur, éducation, santé, euh, urbanisme, quel que soit les domaines, on dit dans l'excès de façon générale, c'est tout le monde. C'est pour tous les citoyens. Mais nous voyons que dans la pratique, le plus souvent, les personnes handicapées sont totalement ignorées. Donc nous avons demandé à la CNDH euh, d'être notre porte-parole auprès des autres institutions. Je ne peux pas venir entrer dans beaucoup de détails. Par exemple, en matière d'éducation, nous savons qu'un effort a été fourni pour la scolarisation des enfants handicapés, mais beaucoup reste encore à faire. Toujours dans le domaine de l'éducation, la législation ne prévoit même pas la scolarisation des enfants avec déficience intellectuelle. Ça ne figure nulle part. Ça, ce n'est qu'un exemple. Dans le domaine de la santé aussi, c'est pareil, il y a un certain nombre de préoccupations. C'est vrai que dans un décret, il est prévu une prise en charge des personnes handicapées en matière de soins, donc euh, consultation et hospitalisation, mais le décret dit que c'est dans les hôpitaux nationaux, alors que les 98% des personnes handicapées sont en zone rurale. Et tout ça pour solutionner donc euh, tout cet ensemble de préoccupations, la fédération a initié un projet de loi corrélatif à la promotion des droits des personnes handicapées. Cette proposition de loi a été élaborée après une étude faite sur l'ensemble des textes en vigueur, que ce soit les textes nationaux et internationaux. Donc, la première attente qu'on avait vis-à-vis de la CNDH, c'est vraiment d'appuyer l'adoption, en tout cas, de cette loi qui est vraiment fondamentale pour les personnes handicapées. Si je comprends, vous avez un problème au niveau du recrutement, la fonction publique de différents domaines et aussi la scolarisation des enfants handicapés. Je vais finir par la dernière partie, la scolarisation des enfants handicapés. C'est que le grand problème, quand vous regardez par exemple dans les écoles ordinaires, par exemple pour un enfant handicapé physique, il y a un problème problème de déplacement, c'est de pouvoir se rendre à l'école. Donc l'enfant n'a pas besoin d'aménagement spécial. Mais quand vous prenez les autres catégories de handicap, donc les non-voyants, les sourds, qui pour le moment sont scolarisés, c'est qu'il y a d'énormes difficultés d'abord euh, sur les ressources euh, humaines et matérielles. Ressources humaines en ce sens qu'il y a un déficit énorme en termes même d'enseignants qualifiés. Donc Là, je veux ouvrir euh, une petite parenthèse. En 2005, ça 2004-2005, avec l'appui euh, d'un partenaire, donc CBM, et puis euh, l'UNICEF, il y a eu un projet pilote consistant à créer des classes intégratrices. Donc, on prend dans une école ordinaire une classe qui accueille des enfants handicapés. Par exemple, ça a commencé avec les non-voyants, avec donc des enseignants spécialisés. Ils font donc cicpc 1 e maintenant. La quatrième année, on le réversait dans le cursus normal avec les autres élèves. Et là, quand on les reversait, parce qu'il faut qu'il y ait un suivi au, niveau de l'encadrement. Donc il y a vraiment ce, ce, grand problème. Il y a quelques années aussi, il y a eu donc toujours euh, les écoles intégratrices pour les sous. Et là, c'est vraiment, je ne dirais pas catastrophique, mais en termes de ressources humaines, c'est-à-dire que tous ceux qui opèrent actuellement sur le terrain, ce n'étaient pas des ressources humaines formées dans des écoles. C'était une formation sur l'État, donc euh, les gens ont appris parce qu'ils avaient un membre de leur famille qui était sourd ou bien à travers le mouvement associatif. Donc c'est surtout à ce niveau-là. Sur le plan matériel, c'est vrai qu'il y a des efforts, mais ces efforts ne peuvent pas aller tant qu'il n'y a pas de ressources humaines pour aller très loin. D'où vraiment la nécessité de la formation des encadreurs, ça c'est vraiment essentiel, parce que même s'il y a le matériel, s'il n'y a pas d'encadreur, je pense que euh, rien ne pourra se faire. Et dans le domaine de l'emploi, quand vous regardez les personnes handicapées de façon générale, quand on prend la très très grande partie, je veux dire les 95%, sinon c'est par optimisme, n'ont pas été à l'école, n'ont pas eu la chance parce que euh, auparavant il n'y avait pas la possibilité d'aller à l'école. Donc toutes ces personnes-là, pour ceux qui ne sont pas allés du côté euh, de la ont appris des métiers donc euh, à travers toujours les structures associatives. Et de l'autre côté, les 5% par optimisme ont fréquenté des écoles. Et ce n'est pas tous qui ont réussi. Ceux qui ont eu des diplômes, à travers une ordonnance qui existe depuis 2012, donc l'ordonnance 93-012, il y a un quota qui a été réservé aux personnes handicapées. Là, on parle de recrutement d'au moins 5% par le secteur public et privé. Pour le moment, nous sommes au niveau du secteur public. Le recrutement se fait tant bien que mal. Dans, donc, euh, dans toute euh, chose, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des incompréhensions. Donc, les incompréhensions actuelles sont du fait que quand on fait une lecture, on prend le texte brut de l'ordonnance. D'ailleurs, la disposition a été reprise dans d'abord le statut général de la fonction publique et ça doit être le code pour euh, l'ensemble des travailleurs. Maintenant, en termes d'interprétation, au moins 5%, quand il y a les appels qui sortent, c'est par profil de poste. Et des fois, bon, on dit 5%, euh, là ça veut dire qu'un employé sur 5, des fois, euh, il y a 4 postes qui sont pourvus, euh, ils vont au niveau de la commission à, la fonction publique, et bien, le quota n'est pas respecté. Donc il y a un problème de lecture. Donc nous, on estime que les 5%, si au niveau d'un certain niveau de poste, on n'a pas pu avoir donc un poste, comme c'est le calcul sur la base des de 20%, 1 sur 5, mais au moins, il y a d'autres postes où cela doit être complété. Donc nous sommes en train de voir euh, dans quelle mesure euh, nous allons donc trouver une solution à cette situation qui est due vraiment donc à un aspect donc euh, technique de la mise en œuvre de cette disposition. Quelle était la réaction de la CNDH vis-à-vis de cette journée d'information Oui, ce que je pourrais dire, la CNDH vraiment ouverte, elle elle est prête, elle est d'accord parce que ça fait partie de sa mission donc le suivi, c'est-à-dire que des droits de tous les citoyens. Et au niveau de la CNDH, il y a même un service euh, des groupes vulnérables donc, qui s'occupe spécifiquement des personnes handicapées où la question est traitée. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Avant la journée, cette journée d'information, dans les années antérieures, nous avons écouté euh, sur les médias des rapports de la CNDH où la situation des droits des personnes handicapées a été évoquée. Aux dernières élections, ils ont fait de leur mieux pour rendre inclusive du moins donc les élections passées. Inclusive au sens où permettre aux personnes handicapées de pouvoir exercer leurs droits de situation au même titre que tout le monde. Donc la CNDH est tout à fait disponible parce que elle est là pour ça. C'est pour ça que l'institution donc euh, a été créée. Il est convenu euh, de poursuivre le travail. Monsieur Moussa, merci. Nous vous remercions beaucoup. Voilà, Moussa Ali, membre du bureau national de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. La structure a organisé hier une journée d'information à l'intention de la Commission nationale des droits humains sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Niger en 2008. Je vous rappelle que pour l'essentiel, nous avons parlé de l'arrêté, de la légalité pardon, de l'arrêté du ministre en charge de l'enseignement primaire signé le 20 juillet dernier et qui transfère la gestion des contractuels de l'enseignement de base aux communes et puis DIFA comme région phare euh, cette année pour la célébration de la journée mondiale des luttes de l'aide humanitaire et enfin Wallam Wallam coupé du monde à cause des inondations. Sur ce, on se retrouve demain pour le forum de la presse nos invités, des journalistes de la presse nationale, pour décrypter l'actualité de la semaine qui s'agève. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Merci à la coordination technique. Bonne soirée.